thank you M. Bassir Diomaye Faye qui passe, qui fait la revue des troupes du détachement de la garde présidentielle qui lui rend les honneurs ce matin, le cinquième président de la République. Et sur le tapis rouge, nous écoutons le protocole. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant John Michel Ndiaye. À vous autres, Monsieur le Président de la République. Voilà, le lieutenant John Michel Ndiaye qui rend les honneurs au président de la République, son Excellence Monsieur Bassir Diomaye Faye. Excellence, mes devoirs, vous l'avez entendu, je vous le disais. Et là, le président, il monte sur le perron, il monte les escaliers. Il est accueilli par accueilli par le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall tout un, euh, toutes de belles images hein, avec poignée de main, poignée de euh, hein. plus accolade hein, avec euh, le plan vêtu du président de la main dans la main, la la main, les deux chefs d'État se dirigent, qui viennent ici se dirigent. Il y a deux bâtiments, il y a le chef de l'État qui présente ses collaborateurs, il y a le président de l'Assemblée nationale Amadou Mamdjo. ensuite il y a le premier ministre Maître Sidiki Kaba, le président élu son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Kharfay qui salue le premier ministre Maître Sidiki Kaba. Il salue également le président du Conseil économique, social et environnemental, euh, Abdoulaye Daoudi Diallo, le directeur de cabinet, le ministre Omar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Mahtar Sissi, ministre de l'Intérieur, Maître Omar ministre des Forces armées, le président du Conseil constitutionnel. Le piano, c'est pourquoi on l'appelle salon musique, pour ceux qui ne le savent et la poignée de main est là avec le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui accueille son autre ici à vous. Voilà, cher euh, Bamba, nous les avons donc euh, vus confortablement s'installer alors euh, au salon pour certainement éplucher certains dossiers et puis passer en revue alors certaines questions brûlantes de l'actualité. Certainement le moment ne le leur permettra pas mais c'est des moments de, de Salam c'est des moments également. Alors de félicitations, certainement le président Maxal il est en train de le dire je suis euh, content de vous accueillir et certainement de vous remettre d'un moment à l'autre les clés alors euh, de ce symbole de la République qui est le palais de la République. Voilà, euh, c'est un tête-à-tête que nous avons l'habitude de voir entre euh, le président de la République et son hôte. Et aujourd'hui, il s'agit d'un hôte exceptionnel qui va, euh, dans un bref euh, instant, prendre... il est le président de la République maintenant. Il est, le président de la République. Désormais, il faudra dire son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar qui est le président de la République. Il a été donc intronisé et tout, il a maintenant toutes les charges présidentielles, toutes les fonctions présidentielles. Vous avez l'écharpe, vous avez le collier du grand maître, vous avez la rosette. Aujourd'hui, actuellement, il a tous les attributs du chef de l'État. Et donc, actuellement, Ambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République, et également voilà, le président Bassir Diomaye Djahar Faye, le président Diomaye Faye qui raccompagne le président Macky Sall. Voilà, le président Macky Sall qui part et qui va partir avec le sentiment du devoir accompli, qui salue euh, les travailleurs de la présidence de la République, la garde euh, rouge euh, présidentielle. Tagoto De très belles images entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président Macky Sall. Nous, vous laissons vivre les honneurs militaires. Voilà la dernière accolade la colère entre le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye. Et cette chaleureuse poignée de main. Hein. chaleureuse poignée de main entre le chef de l'État et le chef de l'État sortant, le président Macky Sall. Le président Macky Sall qui s'en va maintenant. Et voilà, nous sommes maintenant avec le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, cinquième et président. Et qui va venir occuper les lieux. Et qui va venir occuper les lieux. C'est ça, le, soir, euh, c'est ça aussi la vie. C'est ça le déroulement. Un cérémonial, tout un rituel avec ses honneurs militaires qui lui sont rendus dès le début. Nous saluons en tout cas. Euh, l'équipe de la présidence de la République euh, qui nous a beaucoup aidé ce matin, Omar Nying qui est là depuis ce matin, et qui nous a beaucoup aidé euh, avec sa générosité légendaire également, toute l'équipe présidentielle. Le président Macky Sall voyez, donc est en train de partir et va maintenant, il fait la revue des troupes, dernière revue des troupes. une belle investiture ce matin. Euh, d'abord déjà au centre des expositions de Dio, ensuite ici avec la réception du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est maintenant le cinquième président de la République du Sénégal. Le président Macky Sall voilà, est parti euh, et qui a euh, tous les remerciements et toutes les félicitations du peuple sénégalais euh, pour ces 12 années de magistère euh, qui lui ont permis de réaliser beaucoup de choses à la tête du Sénégal sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. beaucoup de choses ont été faites par le président Macky l'hydraulique, la santé, l'économie, le chantier. ce sont également d'autres chantiers immenses du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui va mettre en œuvre son programme, lui aussi, qui va, Khalil le disait tout à l'heure, continuer les chantiers, continuer l'émergence économique du Sénégal avec des réformes. Bien entendu, il y aura des réformes. Certainement, il y aura des réformes. même le président Macky Sall, quand il était là, il était dans ses réformes. Et le président euh, de la République, son Excellence Bassir Diomaye Faye, va euh, faire des réformes également. réew que tey jii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi tok ne dégg tok xaar ba président njiitu te mi di président Macky Sall mi nga xam ne tey jii la fi wuute ni ki bés ni ki tay dal di yeeweeku tok itam noonu lañuy ñuy gan gan du la wan ginnaaw rek nga wan ko ginnaaw waaye da ngay xaar loolu sax nag tubaab yi wane nañ ci mandarga yu kawe kawe kawe ca nañuy sargal ak nañuy warmaale seen gan xaar ba mu dem xaar ba nga gis ne otoom génn na fii yëpp ngay doog a itam daal di wëññeeku loolu mooy taarix gis nga tey jii président Macky Sall qui, euh, biir Land crise bi euh, mu ngi dem nag fi nga xam ne nii xam naa ne xëy na mooy makkaanam euh, loolu mooy nga xam ne doon Sénégal président Bassirou Diomaye Faye nag mi ngi nii ànd ak cortège Faye avec le détachement de la garde présidentielle merci monsieur le président de la République accompagné également de tous ses collaborateurs voici le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye qui se trouve qui se dirige maintenant au salon musique où il va euh, certainement recevoir euh, certains de ses collaborateurs. Voilà, il est installé. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Bonjour également au grand chancelier, le général Maïseignan, que nous saluons, qui fait un travail remarquable également. On l'a vu décorer euh, beaucoup de noms que, travailleurs à la RTS. Voilà, maintenant, vous allez, vous voyez maintenant le président, le nouveau président de la République du Sénégal, avec le collier du grand maître, collier doré, un or massif avec euh, l'écharpe ou la cravate, également avec la rosette, tous ces attributs maintenant euh, de fonction présidentielle euh, qu'il a. Et maintenant, c'est lui le maître des lieux, c'est le nouveau maître des lieux. La clé lui a été transmise par le président sortant Macky Sall. Maintenant, nous disons en tout cas bienvenue ici au Palais de la République au nouveau président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye Khali, c'est que euh, c'est ça la République. Elle est très belle. Cette image est très belle. Ces images sont très belles, même je disais, j'allais dire depuis ce matin. mais elles le sont encore plus ce matin avec euh, la réception ici du nouveau président de la République par le président Macky Sall. Voilà, en tout cas, nous disons honneur et respect au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. ak kilifa yi di euh, le président du conseil constitutionnel xam naa ne muy wéy itam di ko ndokkeel wéy itam di ko ñaax di ko soññ di ko jox itam ay xalaat ndax noonu la àdduna bindoo nit ki itam euh, bu fekkente ne ne danga nga koo yéene ndam euh, la nga xam muy néew ak bari euh, ci sa xam-xam da nga ko koy laabire ni ñu ko gisee nag ni ñuy diisoo ni rek nga xam ne wax dëgg yàlla am na lu dox seen biir ci loo xam ne itam xeetu warmaalente la ak xeetu loo xam ne itam xeetu cofeel la ak xeetu cër bu ñuy delloonte ndax lii doon na loo xam ne nii taarix da koy bind histoire da koy bind seen nuyoonte yi ak sargalante bi moom nag président conseil constitutionnel

qui sont le général Maïsegna, le euh, général de de l'ordre national du Lyon, qui a été voilà, qui salue et qui rend les honneurs et le respect au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Voilà, euh, le général Maïsegna également, mes respects, monsieur le général, qui a été également au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire également, euh, qui a une carrière très bien remplie. Et là, on voit le président Macky Sall est en train de partir, accompagné par cette foule immense et nombreuse qui s'est massée très tôt devant les grilles du palais de la République Rally. ah mbooloo maa ngi noonu lii nag mooy àdduna ndax kat fukki at ak ñaar ku ñu wóolu itam dénk la li ñu la dénk nga doxale ko ni nga ko doxale buñ demee ba sa cëppaandaw ji itam day yell itam ñu ñëw sargal la jaajëfal la ki nga xam ne ni itam moom la ñu am yaakaar ci moom am kóoluti ci moom ci amin woo xam ne itam woo rafet la woo xam ne itam woo taarix eh, daanaka di bind la ci na nga xam ne itam noonee la taaroo kon itam moom itam dañ koy ñaan le nouveau locataire du palais de la République est officiellement installé euh, dans sa nouvelle demeure le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui, à qui le président sortant Macky Sall a remis officiellement, on l'a vu, hein, les clés de ce palais de la République. Une journée historique, Mama Moussagnon. waaw yaram daw na ah, bu ñu mënoon jot alaaji Mansour Mbaye xam naa ne ni <laughs> yaram daw na alaaji Mansour suñu papa ju baax jooju yàlla na ko fi yàlla bàyyi lu yàgg yàgg ndax euh, ci